Le processus de distribution des vivres suit son cours. Naturellement, c'est un processus plus ou moins long, mais qui se déroule normalement. Dans la semaine, la distribution euh, va se poursuivre parce qu'elle a déjà commencé dans la commune de boutupaka Dans le département d'Oussoui, euh, les articles sont au complet. La distribution normalement doit démarrer aujourd'hui ou euh, très bientôt. Donc dans le département de, de le reste des articles sera complété aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Donc dans le département de Bignona, on a envoyé aujourd'hui quatre camions pour faire le dispatching euh, des, autres articles au niveau des points de distribution. Et la situation du Covid aujourd'hui dans la région Bon, elle n'est pas, elle est sous contrôle, euh, puisque depuis le début de la pandémie, nous, n'avons enregistré que 18 cas. Sur les 18 cas euh, testés positifs, les 15 sont déjà guéris. Nous avons malheureusement enregistré un décès. Les deux sont euh, présentement euh, sous traitement au niveau du centre de traitement et leur état de santé est vraiment stable. Euh, processus là, gérer distribution bi commencé na déjà ci commune Boutoupaka Toubacouta yenen article articles yi mu mot ci département Ziguinchor yenen ni mot na déjà ci commune ci ci département Oussouye tay y nañ ay camions ci département euh, biñuna pour compléter li déssone ci article. L'idée li ci des moy baral distribution bi ndax commencé na déjà mais baral ko mo pour que nit ñi jot euh, définitivement ci ceeb bi. ak euh, yeneen articles yi ci bokk. waaw situation bi de mën nañu wax ne euh, moo ngi sous contrôle ñoo ngi sant yàlla ndax bi mbas mi commencé ba léegi fukki nit ak juróom-ñett ñoo ko am ci région bi moo ñoo am feebar bi ci fukki nit ak juróom-ñett yooyu fukki nit ak juróom yi faj nañ leen bi ñibbi nañ seen kër yàlla dogal ñu am ku ci faatu ñaari ñi des. ñoo ngi leen di faj ci centre de traitement bi nekk hôpital régional ci ñoo ngi sant yàlla bu baax seen seen wér-gu-yaram moo ngi tànne bu baax a baax